waaw ñu ngi ci chaque jour rek ci fair play AGEL euh, ak HLM maa ngi ak secrétaire général HLM euh, football club ñu am mbégte rek ci yow di wax ne rek oh, sunu grand la moo ñu teete nag waaw xam nañ ko bu baax tey jii nag du ñàkk comme li ñuy wax rek moom sànq mi ngi woon ci réunion bi te am na lu euh, directeur exécutif bi wax ci affaire fair play bi léegi ma bëggoon nag moom mu sànni ci kàddu moom it. jërëjëf As maa ngi nuyu. Mm-hmm. du nuyu Mamoun TV. Mm-hmm. donc di am fierté aussi taxaw yow. mais là, la question ma parce qu'on partage beaucoup de choses. Mais deux mais deux territoires, le la solo. Mhm. football petit football actuellement organisation football nous et mhm. football bi organisation Là, mhm. organisation bi ci am le monde en violence. on est en professionnel. on n'est pas en amateur. HLM on doit montrer le bon exemple. parce que c'est deux clubs de quartier et ces deux clubs populaires une organisation au Sénégal même Tay nous euh, partenaire les matchs deux deux matchs le samedi et le dimanche ben def. Mm-hmm. ligue professionnelle ligue 1. Mm-hmm. dimanche HLM mm-hmm. parce que match la de tamit match référence football du Sénégal. man Baye man dina football dina fair play. Parce qu'on a commencé avant semi finale pour désigner le champion. On s'était réunis HLM et AGEL. Donc nous, sommes HLM et AGEL. Sénégal, nous sommes de temps. Nous sommes de Parce que nous sommes équipe nous Donc nous avons un comportement contraire à ce que ces gens-là font dans le football professionnel. Donc c'est ce c'est le discours que le directeur, technique euh, le directeur exécutif a tenu ici pour lancer un appel à ces deux clubs-là ça me va droit au cœur parce que man suis dama ci gisoon bopp lay parce que nous, ñun dañu wara le bon exemple Le football mo toll fo xamné tay so duggé ci réseaux sociaux yi partout les gens s'organisent. ñi ngi jaay ay maillots ñi ngi ay cartes d'abonnement yoyu c'est des innovations. Mm-hmm. donc lolu nak civilisés. ay nit ay civilisé. Mm-hmm. ñeu <laughs> <laughs> donc ces clubs là doivent montrer le bon exemple on est en ligue professionnelle. Mm-hmm. les responsables de la ligue professionnelle commencent à avoir des idées, du gain à faire, du une télévision, du une partenaire. Donc ces clubs-là doivent montrer le bon hmm. exemple dans ce football-là. Donc man, je suis responsable du football. Donc man, je suis adina, je suis nango aslam di wone len lu contraire hmm. ak li parce que si on a ñun amatuñu raison d'être nek a dañ dem jëjë waat donc vraiment c'est ce que am lu ma hmm. ci conférence de presse bi di leen di merci jërëjëf Content nañ ci yow <laughs>